bëgg naa ngooma sax laaj ci question nouveau gouvernement bi le nouveau premier ministre bi nga xamante ne les gens disent que bon certains des gens disent que euh, avenir politique am jeex na il est à terre presque mais le nouveau. Nous ko def pas avenir politique il a fait une forte mobilisation en Tamba mi nga xaar suñu candidat ñëw nga ne avenir politique am jeex na foo ko Kaba. foo ko mais mais mais mais Kaba dit. il a plafonné il est devenu premier ministre de la République sur le plan institutionnel c'est pas à tout le monde hein nga bëgg tuutal Sidiki Kaba foo ko teg. non tuutal mu ko dama ni boo xoolee avenir politique am boo xoolee parce que. waaw mais mag la. il n'a plus d'ambition politique mais lan la mën a apporter encore. sur le plan institutionnel am na lu mu mën a apporter le Sénégal sur le plan institutionnel. c'est un avocat international nag bu ko fàtte ah. il faisait partie des avocats de Karim Wade hein. bu ko fàtte ah. quand même sur le plan institutionnel c'est un grand monsieur nga ñëw taxaw dool wax. relation yi. mais sur le plan relation internationale mën na fa régler lu bari le temps qu'on change, qu'on qu installe président de la République pour former un autre gouvernement. Parce que rien ne nous dit que ce Amadou n'est que président de la République, il de maintenir Sidi Kaba comme Premier ministre, parce qu'il a les dispositions, les prédispositions et les dispositions, les compétences de diriger le, gouvernement du Sénégal. C'est pas pour rien que le président est bobby quand même. Il faut qu'on arrête. Politiquement, peut-être il n'a plus d'ambition politique. Il y a trois. Mais sur le plan institutionnel, il a les capacités et les compétences de diriger le gouvernement. Macky Sall du c'est un homme du Serail, un directeur général de de ancien directeur général de des douanes un homme de tenue. monsieur Waouh, waouh. un homme de tenue corps habillé la boc... de de douane le jogué. formation militaire d'Arnafa. homme du sérail IGE. Politique beaucoup ci benn parti politique aucune ambition politique il a les compétences et les épaules de diriger le ministère de l'Intérieur. Il n'a pas trop Il Ba di Ba pour être ministère de l'Intérieur et le candidat tu n'as pas besoin de jubóo. Amen. on a on voulait un ministre de l'Intérieur neutre. qui ne fait pas de la politique. On a pris un inspecteur général d'État, même le ministère de l'Intérieur. Les relations humaines sont autres. Nous, nous, nit ñi dañuy palabrer rek dañuy wax Sénégal fi dañuy wax rek li ñuy wax yëpp xamuñu ci tous Matar ba léegi wax waxul daal de kawka la lan la am pour wax on lui a confié une mission lan lay wax c'est d'organiser correctement les élections qu'on puisse avoir une élection transparente dans les délais lan lan nga bëgg mu wax ah, lan nga bëgg mu wax la wax lan lan nga bëgg mu wax na wala euh, dafa leen bind ba sénégalais yi mën ci gis seen bopp mais ñoom ñëpp nañ ci gis seen bopp kandaay kandaay am ñu fu wóot foo xamante ne dama ne ñoom ñëpp di nga ci kandaay ak campagne ndax xam nga conseil constitutionnel bi dafa dafa de taille ah. lu musul am hmm. mooy on a donné à chaque candidat deux éléments du du de la Bible noonu leen di accompagne te loolu deuxième tour la doon am te puis candidat buy dox rek jox nañ la ñaari élément Bible bu ànd ak yow pour assurer ta sécurité mosul am